18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique désormais de 34 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du Studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui vendredi 29 décembre 2017, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par c'est d'abord le sens de la visite euh, vendredi, euh, le week-end dernier, du président français Emmanuel Macron au Niger, puis la célébration de Noël, au plan politique, euh, le tout nouveau parti politique, le Conseil révolutionnaire pour une démocratie nouvelle, CRDN Zamani, a signé samedi son acte d'adhésion au front de l'opposition indépendante dirigé par Madame Bayer Mariama Gamache. Au front social, il y a la décision du juge confirmant l'interdiction de la marche suivie de meeting des organisations de la société civile qui est tombée tard dans la soirée vendredi empêchant les organisateurs d'agir. En fait du sport, avec la poursuite des compétitions de la 39e édition du sabre national à Zandera. Avec nous en ce moment pour développer euh, ce thème, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gary Amadou, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également euh, Souleymane Mahamadou du journal euh, en ligne Niger Inter. Alaï Souleymane Mahamadou, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également avec Issa Madougou, journaliste au groupe de presse radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir. Le président français Emmanuel Macron a effectué vendredi et samedi dernier une visite officielle à Niamey. Avec euh, le président Issoufou, ils ont animé une conférence de presse essentiellement axée sur la sécurité, la migration, la gouvernance et le développement. Avant de vous donner la parole, suivons d'abord un extrait de l'intervention du président nigérien Issoufou Mahamadou. En matière d'éducation, j'ai surtout mis l'accent sur le soutien qui peut nous être apporté en ce qui concerne la scolarisation de la jeune fille. Nous avons un programme au Niger qui prévoit l'éducation gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans avec des dispositions particulières pour protéger la jeune fille, pour maintenir la jeune fille à l'école le plus longtemps possible, au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Cela a un double avantage. Ça permet d'éviter les mariages précoces, ça permet d'éviter les grossesses précoces et il y a même un troisième avantage, ça contribue à créer les conditions de la transition démographique dont le Niger a tant besoin. Nous avons également salué le soutien de la France dans le domaine de la santé, notamment de la santé de la reproduction, parce que tout cela participe de la création des conditions de transition démographique. Vous venez là de suivre le président nigérien Issoufou Mahamadou. À présent, suivons le président français Emmanuel Macron. La démocratie, c'est vous. Et je veux ici le dire très clairement, vous êtes un exemple. À chaque fois qu'il y a eu un problème au Mali, ce fut le cas. Et cela, nous pouvons non seulement, pas seulement le saluer, mais que vouloir l'accompagner. Et c'est pourquoi le cœur de notre réponse, c'est d'accompagner ce troisième pilier de votre triptyque, la politique de développement. Mais je souhaite tout particulièrement marquer l'engagement de la France dans le domaine de l'éducation. Et dans ce contexte-là, je veux saluer le courage de la décision que vous avez prise avec votre gouvernement de renforcer la scolarisation, en particulier des jeunes filles. Cette priorité en matière d'éducation l'éducation que j'ai énoncée à Ouagadougou le 28 novembre dernier a conduit la France à engager à hauteur de 15 millions d'euros des investissements en matière de politique éducative à vos côtés, avec un fonds commun sectoriel éducation. j'ai souhaité, en venant ici à Niamey, marquer un soutien supplémentaire et particulier aux décisions récentes qui ont été prises justement par le gouvernement pour euh, les jeunes filles par le biais de l'Agence française de développement, avec 10 millions d'euros supplémentaires pour appuyer cette euh, politique d'autonomisation euh, des jeunes filles. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Vous venez là de suivre les deux chefs d'État. Quel commentaire Oui, le premier commentaire qu'on peut faire, c'est que vraiment il y a une convergence de vues frappante entre le président Issoufou et le président Emmanuel Macron. le président Macron a dit des choses, a dit des mots très gentils à l'endroit du président de la République qui certainement empêchent beaucoup d'opposants de dormir. Parce que ils ont passé tout le temps en train de broder de tout et de, de, de, briques et de broc, de concocter des histoires, de, prétendues mésententes entre Issoufou euh, n'apprécie pas, euh, Macron n'apprécie pas Issoufou. Et là, Macron vient, il dit des mots extrêmement gentils à l'honneur du président, vous êtes un exemple, etc. Ça, ça a dû faire mal. On a vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Tellement les gens étaient, euh, les, opposants ou ceux qui détestent le président de la République. Ceux qui le détestent, parce qu'il faut le dire, ils n'ont ils pas pu dormir. Parce que là, un président français est venu contredire toute la théorie qu'on était en train de dire. Donc vous êtes surpris par les propos de du je ne suis pas, Non, moi, je ne suis pas surpris. Moi, je sais très bien que le président Youssef est apprécié par la communauté internationale. Il est apprécié par les chefs d'État. Il est apprécié aussi sur le plan international. Il a un charisme indéniable qui est en train de briller sur le plan international. Moi, je le sais. Mais il y a des Nigériens qui tout simplement par euh, euh, euh, désir d'assouvir des, ambitions politiques, par combat politique, tout simplement ont décidé de prendre des lunettes en bois, de considérer que leur président est un président qui est indigne, etc. etc. Mais non Mais moi je suis fier, que, je, ne parle même pas, je ne parle même pas de je suis fier d'avoir un président aussi respecté sur le plan international. Ça fait longtemps. C'est-à-dire que <laughs> les mots ont manqué à Emmanuel Macron, tellement il était content d'être avec le président Issoufou. Et, ça a constitué une juffe du souffrance aux opposants qui ont commencé à critiquer Emmanuel Macron, blablabla, blablabla, comme d'habitude, bien sûr. Parce que Emmanuel Macron n'a pas dit ce qu'eux, ils veulent entendre. Ils veulent que Emmanuel Macron vienne attaquer attaquer le régime d'Isuf, Eh bien, non Emmanuel Macron a dit que le président Issoufou était un exemple. Il a salué euh, euh, le pragmatisme de Issoufou. Il a salué son leadership. Il a salué tout ce que le gouvernement des autorités de la République est en train de faire. Et moi, en tant que Nigérien, je, dis en tant que Nigérien, je suis extrêmement satisfait. Tu es satisfait de la visite Ah, je suis satisfait. Tant pis vraiment pour les aigris. Alaïs Souleymane Mahamadou euh, du Niger Inter, quel sens donner à cette visite du président français au Niger oh, ben, eh, nous l'avons dit dans un article, c'est un succès diplomatique incontestable pour Issoufou. Ça, euh, quand on considère il n'y a pas longtemps, une certaine opinion considérait que le président Issou, euh, lorsque Macron était venu à Ouaga, il n'était pas venu, c'était un camouflé pour Issou. Non, maintenant, en venant à Niamey, en tout cas, Macron a montré que la relation entre le Niger et la, France, entre lui et Issoufou, en tout cas, euh, elle est au beau fixe. Donc, ben, je pense qu'en réalité, le plus important. C'est pas donc un euh, rapport dominé, dominant euh, Bon, d'une certaine façon, dans tous les cas, il y a plusieurs angles sur lesquels on peut voir ça. Une des principales récriminations, en tout cas, des, citoyens nigériens, c'est qu'on considère qu'il se fait de concession aux, aux, pays occidentaux, on parle de bases militaires, tout cela. Mais le plus important pour moi, Aujourd'hui, en tout cas au XXIe siècle, la diplomatie, c'est les intérêts en tout cas du pays. Comme on dit, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. je pense que le plus important, en tout cas pour nous, si en tout cas la voix du Niger est en tout cas audible aujourd'hui au niveau donc, euh, international, quelque part, il faut reconnaître en tout cas à notre diplomatie, en tout cas une certaine dynamisme. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des profits. Vous pensez que cette visite euh, du président français Emmanuel Macron va nous rapporter quelque chose euh, une chose est sûre, il a dit lui-même tout à l'heure dans l'accès qu'on avait, il est venu euh, en fait appuyer, soutenir les engagements. Il non seulement la question du G5 Sahel, on sait récemment en France, ils sont réunis, en tout cas, ils des, engagements euh, concrets, mais aussi appuyer son soutien justement à la politique donc, le président Il a dit, il a annoncé 10 millions d'euros pour la question donc, de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille. Euh, bref, euh, ce que, en tout cas, une chose est sûre, comme l'a dit Garé, il y a eu une certaine convergence, en tout cas, du point de vue. La conférence de presse, euh, en tout cas, qu'elles ont animée ensemble, elle était tellement élogieuse euh, que euh, véritablement, en tout cas, les gens étaient, étaient en tout cas surpris. pour la petite histoire, on a suivi sur le réseau, sur les gens disait que le compte Twitter de Macron était, était en fait piraté parce que vraiment, les gens ne s'attendaient pas à entendre en tout cas qu'ils disent que, je veux dire ici très clairement, euh, Issou Mohamed, vous êtes un exemple pour la démocratie. Bon, euh, il, a, il a dit en tout cas, euh, maintenant, euh, ce n'est pas l'effet d'annonce qui est important. Donc, pense aussi qu'il veut prendre le président Issoufou au mot. Ben, vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes dans un domaine, en tout cas de la, diplomatie, quel que soit Alpha, le président français va toujours défendre les intérêts français, tout comme maintenant il apporté à se défendre les intérêts du Niger. C'est cela, en tout cas, ma compréhension, c'est que arrêter, c'est un jeu de, de, de, Chacun voudrait gagner, en tout cas, d'une certaine façon. Euh, et bon, aujourd'hui, en tout cas, le plus important, euh, moi, par exemple, la, question, par exemple, je, l'ai dit tout à l'heure, que on reproche, par exemple, au, régime actuel euh, de faire tant de concessions aux, aux, Occidentaux, la question des bases, des bases militaires. C'est qu'en tout cas, pourvu que notre sécurité, en tout cas, soit assurée, il appartient en tout cas à nos autorités de défendre nos intérêts, nos intérêts pardon, mais euh, le, le, reste, il me paraît évident que quand ils viennent aussi, ils vont essayer effectivement de trouver autre chose, de faire autre chose que ce, qu'en tout cas nous on a conclu comme, comme accord. Donc bref, euh, même maintenant le plus important en tout cas quand on parle de, base, il n'y a pas longtemps, la précision importante en tout cas qu'on avait considérée, c'est ceux qui disent que le pouvoir actuel donc permet des, gens de base de venir sans conseil l'Assemblée, il n'en est rien parce que simplement la question est très claire pour qu'il y ait donc des euh, de tels actes. Pour en se référer à l'Assemblée, il faudrait que ce soit des accords de défense ou bien des trucs sur des accords de paix. Issa Madougou, du groupe de presse euh, Ténéré, la question démographique abordée par euh, le président français Emmanuel Macron n'a été du goût de certains Nigériens. Que pensez-vous de son analyse à ce sujet ben écoutez, <clears throat> je, merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez. Je pense que la visite d'Emmanuel Macron peut être quand même, c'est bien normal que même si vous venez dans le pays, vous êtes obligé de passer par le plus chef. Il était venu voir ses militaires et je trouve tout à fait normal qu'il va rendre visite. Et ça, c'était l'acte. Moi, je ne vois pas d'abord les paroles. Le fait de se déplacer, d'aller jusqu'à la présidence de la République, rencontrer le chef d'État, c'est ça. Il faut voir les faits, il faut les contextualiser. Ça, c'est aussi, c'est vraiment marque d'estime. C'est quelque chose, c'est un signe de la vitalité de nos relations qu'il y a. Par exemple, par, rapport à ce que vous disiez, démographie, vous savez, cette question a été vraiment polémique. Macron même l'a répété dans son point de presse. Il a dit, c'est pour cela qu'il a tenu à contextualiser un peu ses propos. Il a clairement dit qu'il n'a pas dit aux gens d'arrêter de, de, de, faire des enfants. de faire des procréations responsables. Évidemment, il a dit, parce qu'il a pris un exemple en France. Il a dit, en France, vous pouvez des, des familles qui ont 7, 8 enfants. Mais c'est quoi Il faut être responsable. Quand vous donnez des enfants, il faut vraiment prendre soin de leur santé, éducation, vraiment leur assurer un bien-être qui puisse permettre, favoriser leur épanouissement et faire d'eux des, citoyens responsables à prendre en charge cette, démo, cette partie de, personnes âgées qui vont arriver à un moment où ils ne peuvent plus produire, qui ont besoin d'une prise en charge. Ça, c'est évident. Mais quand même, euh, au cours de sa visite, moi, j'ai pu noter quelque chose. La hausse de l'enveloppe par rapport euh, à la scolarisation de la jeune fille. J'aurais bien voulu que ça soit au-delà de ces culpables. Mais il aurait pu encore, puis il peut gagner, parce qu'il a dit que le Niger et, la France vraiment entretiennent des bons rapports et qu'ils sont prêts à accompagner le Niger. J'aurais bien voulu qu'au sortir de, ce, de, de la table ronde de PDS, que les priorités parce qu'il ne revient pas maintenant, et c'est ça la question que moi je ne suis pas d'accord. Selon vous, c'est quoi la, priorité rapidement Non, le président a des priorités dans son programme qui ne sont pas seulement la scolation de la jeune fille. D'abord, il y a la sécurité, il y a la question de la souveraineté alimentaire. J'aurais bien voulu, si Macron est sincère, parce que les éloges qu'il a fait, vous vous rappelez que Sarkozy a eu à le faire. Nous, on n'a pas besoin d'éloges. nous au, président Tanja. Au, au président Tanja. Nous, nous n'avons pas besoin d'éloges dans cette situation. Nous, on a besoin de qui nous appuyer pour que nos programmes de développement puissent être une réalité au Niger, que nous puissions vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est pour cela que j'ai dit, dorénavant, il faut que nous aussi, notre diplomatie, qu'on soit un peu rigide, parce qu'on les a donné ce qu'ils veulent. On les a autorisés à venir s'installer sur notre territoire avec ici 500 militaires. On sait, à Madama, je n'ai pas le chiffre exact et ce qu'ils ont. Donc, à eux de retour, pour que, parce qu'ils ils ont en train de créer une polémique au sein de la population. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de savoir que le débat que ça a suscité, que ça suit au sein de l'opinion, que les Nigériens ne comprennent pas pourquoi eh, les autorités ne prennent pas le soin eh, de, démontrer le bien fondé au regard de ce qui se passe euh, par rapport à la présence de ces bases, les attaques qui endeuillent. Il faudrait qu'eux aussi, maintenant, ils imposent à ces gens que c'est à eux qu'ils ont l'intention de nous aider, qu'ils nous demandent, nous, dans quel secteur ils sont. Parce que la scolation de la jeune fille au Niger en a fait nous avons des lois qui, aujourd'hui des pays de la sous-région viennent s'inspirer par rapport à la de la jeune fille. Donc ce n'est pas que on est en train, hein, mais ce que nous nous trouvons dans une réalité africaine où la de la jeune fille, on a beau à faire, mais on sera toujours buté à des us, à des traditions qui sont en train d'handicaper le bon fonctionnement de la société. Passons à présent à la célébration de la nuit et de la nativité à l'instar des autres pays chrétiens euh, du monde, la communauté chrétienne du Niger a célébré dans la nuit du 24 au 25 euh, décembre dernier Noël. À cette occasion, euh, comme à l'accoutumée, les évêques catholiques du Niger ont livré un message lu par l'archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lompo. On l'écoute. En premier lieu, nous souhaitons un joyeux Noël à tous ceux et celles qui se sentent exclus, délaissés, incompris ou mal aimés. Nous espérons qu'au cours de cette fête, les regards d'amour rendront leurs visages plus humains. Nous souhaitons encore un joyeux Noël à tous ces hommes femmes et enfants nigériens débarqués de la Libye dans des conditions inhumaines. Que Noël vienne leur donner l'espérance d'être aimés de Dieu malgré les souffrances qu'ils ont dû. Nous souhaitons aussi un joyeux Noël à tous nos frères et sœurs chrétiens et musulmans qui portent ensemble un regard de reconnaissance à Dieu pour la naissance de Jésus ou Issa et qui s'accordent à le désigner comme parole de Dieu. Nous souhaitons enfin un joyeux Noël à toutes nos familles. Que Noël 2017 apporte la paix, la joie et le bonheur à toutes et à tous. Et à la même occasion, le ministre chargé des affaires religieuses était à la cathédrale de Niamey où l'archevêque euh, Monseigneur Laura Lampo a conduit la messe de minuit. Le ministre est allé livrer le message de bonne fête du président de la République et du gouvernement à la communauté chrétienne du Niger. On l'écoute. Mon message a été de dire aux frères et sœurs réunis en cette église que je venais au nom du président de la République en ma qualité de ministre chargé des cultes pour leur souhaiter joyeuses fêtes de Noël et leur dire que l'État, garant de la nation, a la mission d'assurer la cordialité et la tolérance qui ont toujours prévalu entre le peuple du Niger dans ses différentes composantes confessionnelles. priez Dieu qu'il descende sa miséricorde sur notre pays. Le vœu que notre pays vive en paix, que le Nigérien vive dans la tolérance et la quiétude. Issa Dougou du groupe de presse Ténéré, que retenir de ces deux messages que nous venons de suivre la paix. La paix, c'est un mot qui, qui contient euh, tout ce que l'on recherche dans le bien-être. Nous avons la stabilité, l'amour pour son prochain. La solidarité. C'est la solidarité, pour ne citer que cela. Moi, je pense que ce message vraiment devrait interpeller tout le monde. Et cela démontre une fois de plus que nous sommes dans un pays où la tolérance et et la convergence de toutes les religions se retrouve dans, une même nation que tout le monde vit en parfaite harmonie. Donc vous voyez, il n'y a pas de différenciation. Et c'est ça qui nous devrons cultiver et que ça soit notre force aujourd'hui, que nous puissions nous glorifier en tant que Nigériens, au sortir du territoire nigérien, que nous puissions nous dire, nous Nigériens, voilà les réalités de notre pays, voilà des valeurs que nous devrons incarner. Ces deux messages, vraiment s'il y a lieu encore à ce que les Nigériens au fond fond du Niger puissent les entendre pour se dire qu'au Niger, si nous sommes dans une nation, une nation de tolérance, une nation de solidarité, une nation qui œuvre au quotidien pour que la paix soit une réalité, pour que la paix soit notre valeur, nos comportements au quotidien, promouvoir la paix et autres valeurs qui va faire de nous vraiment une nation émergente. Parce que il faut pas avoir ce que les débats, les autres débats superflus que les gens pensent que non, il faut ceci, c'est ça. Il y a l'essentiel, le fondamental, tant que nous continuons. Et c'est ça, je me rappelle une fois, je l'ai dit dans le même studio, qu'au regard de ce qui se passe, il y a péril dans la demeure par rapport au comportement d'un certain nombre de nos compatriotes. Il faut que nous nous interrogeons, au fond, au fond de nous pour nous dire est-ce que ce que nous sommes en train de faire est et comment on appelle, en harmonie avec nos valeurs que nous cultivons. Nos valeurs qui font de nous ce Nigérien, c'est un citoyen nigérien, lui c'est un Nigérienne, lui c'est un chrétien nigérien, il y a pas, ou c'est un musulman nigérien, il n'y a pas de différenciation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ces valeurs, quand vous les prenez, tout à l'heure, je ne sais pas, c'est Alage qui a parlé des réseaux sociaux ou bien c'est Garé. Mais c'est lamentable ce qui se passe là-bas. C'est une perversion de la culture nigérienne qui se passe là-bas. Les Nigériens sont devenus autre chose et nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que nous nous interrogeons au fond de nous quel est le service que nous sommes en train de rendre pour notre communauté, au-delà de notre nation tout entière. Un lieu d'espoir, selon vous, sur le plan de la coexistence pacifique et interreligieuse. Euh, Suleiman Mahamadou euh, de Niger Inter, comment voyez-vous ces marques de solidarité qui se développent au plus haut sommet entre l'Église et le pouvoir central à l'occasion de la Noël surtout euh, là, je pense que franchement, le ministre d'État euh, chargé des Affaires, il a bien fait il a bien fait et selon un de nos reporters qui est allé euh, sur le terrain, il a vu combien les chrétiens vraiment ont acclamé la présence de, de, de, de ministre. Donc cela veut dire que franchement... Un représentant du euh, président de la République et de son oui, gouvernement. Mais justement, il y a avant tout changé le ministre chargé des cultes, il l'a dit, il, est venu au nom... C'est le ministre chargé des, des, cultes. En réalité, on n'a pas ce problème-là. C'est des affaires comme l'histoire de Charlie qui ont amené les gens à faire des casses. Euh, en, tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, musulmans et chrétiens au Niger, en tout cas, on n'a pas de problème euh, euh, fondamentalement. Hein. Et les chrétiens, euh, une fois au niveau des fêtes musulmanes, ils viennent sur les télévisions faire le, en tout cas, leur patron vient dire bonne fête aux musulmans, faire des messages en tout cas euh, vraiment très très euh, intéressant, qui prouve la, la, tolérance. Moi, je pense que, euh, comme l'a dit Madougou, en réalité, comme ailleurs, on voit par exemple, je vous dis, nous, on a, on a vécu une situation aux États-Unis où le, un vendredi, il y a une mosquée qui était petite. Mais le vendredi, c'est les chrétiens qui donnent en tout cas leur cours. cest à que la mosquée et l'église se sont en face. Euh, les chrétiens donnent donc l'espace aux musulmans pour venir prier. Par habitude, maintenant, ils donnent la clé aux musulmans. Quand ils veulent le vendredi, ils l'ouvrent. Pour dire qu'en réalité, c'est comme on dit en islam vous avez votre religion, nous avons notre religion. Donc, vraiment, faites votre religion. Euh, nous, en tout cas, on vous laisse faire votre, votre pratique. Moi, je pense qu'on a besoin, en tout cas, de cette euh, tolérance au niveau du pays. Garé Amadou, du quotidien La Nation, quelle réaction après avoir écouté ces deux personnalités Mais c'est, moi, moi ce, qui me vient euh, à, la bouche, c'est le mot amour. Vous savez, cette, planète-là, elle est ronde et les êtres qui y vivent doivent s'aimer. Au-delà de toutes les différences, de de couleur, de différences. C'est-à-dire que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est s'aimer. Qu'on aime celui-là qui est différent. Et ces messages qui ont été, qui ont été délivrés par euh, l'archevêque de Niamey, et le ministre de, chargé des cultes, c'est vraiment des messages d'amour Parce que le Niger, là, effectivement, il y a certains esprits, euh, euh, comment on appelle ça là, certains esprits vraiment qui veulent, qui veulent euh, euh, mettre à mal cette coexistence pacifique entre les chrétiens et les musulmans. Nous ne connaissons pas ça. Nous aimons nos amis chrétiens. Nous aimons nos amis qui ne croient pas. Nous aimons nos amis animistes. Mais c'est ça le Nigérien. C'est ce qui, c'est le, le fait d'être Nigérien là c'est le fil. Donc selon vous, c'est une bonne chose à encourager mais, mais, mais il faut encourager que les gens puissent s'aimer encore plus. C'est-à-dire que, que les gens ne puissent faire bloc contre ceux qui veulent nous diviser sur des questions religieuses. Non, nous aimons nos frères chrétiens. La jeune formation politique, le Conseil révolutionnaire pour une démocratie nouvelle, CRDN Zamani, a signé samedi un acte d'adhésion au front de l'opposition indépendante dirigé par Madame Bayara Mariama Gamachin. Ce front est désormais composé de trois formations politiques qui sont Racine Hadinkai, Akalkassa et CRDN Zamani. Le président du parti CRDN Zamani a déjà justifié euh, son choix. Elaï Suleiman Mahamadou de Niger Inter. Comment avez-vous apprécié les choix politiques euh, du président du CRDN Zamani euh, Bon, franchement, c'est un nouveau venu, donc des gens qui sont arrivés, je pense qu'ils ont bien fait euh, donc euh, d'abord d'être euh, d'observer donc avec effectivement l'autre aile de l'opposition puisque il faut observer que les Madame Bar étaient avec l'opposition pour quelle raison ils ont quitté dans tous les cas ils ont créé un cadre indépendant mais je pense que s'il y a un nouveau parti qui vient d'arriver la moindre des choses c'est qu'ils observent. et bon pour le moins, on ne peut rien dire que bon on, on va voir de quoi ils sont capables Karé Amadou euh, du journal euh, du quotidien La Nation. Que peut, apporter cette adhésion de ce nouveau parti au front dirigé par Mme Mbayar Mariama Gamachi Oui, vous savez, et pour moi, ce n'est qu'une sorte de diversion. En réalité, n'est-ce pas, Madame Bayar et tout le reste restent à l'opposition. Mais pourquoi créer un front tout simplement parce qu'il y a une certaine frustration au niveau de l'opposition, essayer de récupérer les frustrés là pour fermer le même bloc. Mais en réalité, ce nouveau front-là, le FRDDR, le FPUMIAD, là, et puis les... Les non-affiliés. non, les soi-disant non-affiliés, je les mets entre guillemets. Ils ne sont pas non-affiliés. En réalité, ça forme un bloc. Donc toute cette stratégie-là, en réalité, elle n'est pas bête. Ils sont, ils Est-ce que vous comprenez Ils sont en étroite concertation. Et ça vise, n'est-ce pas, à, les quelques frustrés qu'il y a au niveau de l'opposition, ça vise à les récupérer et à les maintenir dans le même courant, le courant opposé au régime de la 7 République point intérêt. faut pas que les gens cherchent à. Oui, Madame Barre, n'a pas quitté l'opposition. Elle est dans l'opposition parce que l'opposition au régime de la Septième République. Donc c'est la même chose. C'est même pipe, même tabac. Mais les gens sont libres de s'organiser, n'est-ce pas et ça prouve la vitalité de la démocratie nigérienne. Et moi, j'ai dit, comme l'a dit Suleiman, on attend de voir. Mais vous allez voir dans les actes, je vous assure, ils ne vont pas se démarquer de l'opposition. Ils vont suivre tous les mouvements, tous les actes que l'opposition va poser, tous les mots d'ordre que l'opposition va décréter. Je vous assure qu'ils vont aller. Issa du groupe de presse euh, Ténéré, doit-on s'attendre à un grand changement, selon vous Par rapport à quoi Par rapport à leur politique, à la conduite à tenir mm, Monsieur Mokhtar, d'abord, moi je suis contre cette façon de faire du multipartisme élargi au Niger où on crée des partis politiques qui n'ont que des sièges dans, leur, dans, des sacs ou bien dans des cartables. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si vraiment le Niger, on doit même faire en sorte que pour imposer une discipline à nos politiciens, tout parti politique au sortir des élections générales qui n'a même pas un conseil municipal, on doit le dissoudre. Non, quand même, faire de la politique ne veut pas dire faire de la pagaille. Parce qu'on sent que les gens, c'est de la prébande qu'ils sont en train de chercher. Au lieu de faire œuvre, quand on fait la politique, c'est pour défendre un, idéal. On a une idéologie qu'on doit. Euh, et à partir de ça, on propose un projet de société à la communauté. Mais aujourd'hui, on crée des partis politiques. On dit, la dernière fois, selon nos dernières informations, ils, ont, dépassé la centaine. <laughs> Mais attendez, des partis politiques qui n'ont même pas de siège. Et c'est dans ce contexte que les gens sont en train de penser le financement des politiques. Pour nous, tout bon, nous, Nigériens, on est contre à ce qu'on prend l'argent du contribuable pour donner à des gens qui ne représentent rien, que eux, leurs personnes. C'est pour cela, moi, je suis contre à ce que vraiment cette pagaille au Niger, vraiment, on se laisse faire. Mhm. Notre démocratie, la façon de la faire, on doit la revoir. Démocratie ne veut pas dire la pagaille et promouvoir la prébande. Vraiment, franchement, nous devrons nous poser beaucoup de questions par rapport à ça. Des pneus brûlés samedi dernier dans la ville euh, de Niamey par des manifestants qui ont répondu à l'appel euh, du cadre de concertation et d'action euh, citoyenne de la société civile qui mène des actions de protestation contre certaines dispositions de la loi de finances 2018. Pourtant, une décision du juge a confirmé l'interdiction de la marche. Même euh, euh, la marche même euh, s'est tombée à la dernière minute. Écoutons les explications de Nouhou Mahamadou Arzika, membre du collectif des organisations de la société civile. Nous-mêmes, nous n'avons pas été sur les lieux dans la mesure où on nous a dit que l'activité est interdite et beaucoup sont repartis. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté qu'ils sont repartis. Au niveau du débat devant le juge, ils ont dit que, ah, ce samedi, là, comme il y a le président français, de ne pas rien J'ai dit, mais est-ce que vous nous avez abordé par rapport à ça Ils ont dit, c'est un problème de délai. OK, on va régler le problème de délai en reprenant. Et on verra encore ce qu'ils vont donner comme autre argument. Jusqu'à ce que tout le monde comprenne que ces gens-là, c'est pas une affaire de délai ou une affaire de jour ouvrable, c'est un problème qu'ils ont, ils ont peur de ce que nous pouvons être amenés à organiser comme manifestation citoyenne, avec l'importance euh, du nombre de gens que nous pouvons être amenés à mobiliser et qui vont répondre. C'est pour ça qu'ils font toutes ces actions de SAP, ces actions de perturbation. Gary Amadou, du journal La Nation, du quotidien La Nation. Vous venez là euh, de suivre l'acteur de la société civile, nous, Mohamed Ouarzika. Quelle lecture faites-vous de ce que vous venez d'entendre D'abord, si on a suivi ses propos, c'est vraiment ses propos, euh, en tout cas au début, il a bien dit que, euh, euh, puisque le juge avait interdit, eux, ils ne sont pas sortis. Mais il y avait des irréductibles qui sont sortis. Il faut que les gens apprennent à respecter la loi. C'est-à-dire que s'il y a des décisions du juge, que les gens puissent les attaquer par le voie de la loi. Pas vouloir contester la loi et venir sortir et, récolter les conséquences. Mais je pense que pour l'avenir, pour moi, hein, pour moi, ce qu'il faut, c'est que quand les gens veulent manifester, vraiment qu'on puisse les laisser manifester. Pour moi, c'est ça que je pense. Je pense qu'il faut qu'on puisse les laisser manifester. Il faut qu'on puisse laisser les gens exprimer leur colère. Parce que bon, la loi a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, euh, qu'on puisse permettre aux gens aussi d'exprimer leur colère. Je pense que ça fait partie de la démocratie. Et je pense que c'est l'état d'esprit des autorités. Le juge, quand il interdit une manifestation, il argumente bien, il dit que voilà les raisons. Et le maire, même lui, quand il interdit, il argumente. Maintenant, il appartient aux gens d'attaquer par les voies légales. Moi, c'est tout ce que je veux. Parce que on a vu ce qui s'est passé le, 28 octobre dernier. Vraiment, quand il y a des interdits, et que les gens vont, vont font fi de cette interdiction-là, vraiment, ils coulent des risques extrêmement graves parce que eh, eh, eh, il y a des gens qui ne sont pas animés de bonnes intentions qui peuvent pervertir la manifestation de la société civile, faire des choses qui peuvent retomber sur la tête des leaders. Issa Madougou, du groupe de presse Ténéré. Quelle lecture faites-vous de cette énième interdiction des appels à manif des organisations de la société civile Écoutez, moi je pense que le fait d'interdire, d'interdire de façon répétitive, je pense que systématique. Hein. et ce n'est pas la bonne euh, euh, voie à emprunter pour amener l'apaisement. Il faut permettre aux gens de jouir de leurs droits constitutionnels. Parce que c'est la Constitution qui garantit tous ces droits. Donc, il faut les laisser manifester. Quitte maintenant aux organisateurs de concerts avec des autorités de prendre les mesures pour encadrer la marche. Tout est possible. Hein. Il n'y a rien qui est impossible. Il suffit seulement qu'on prenne les dispositions les gens vont sortir, ils vont manifester leur mécontentement et ils vont rentrer chez eux. S'ils ont un mémorandum à transmettre, ils vont le transmettre à qui de droit et c'est fini. Donc, Selon vous, ça ne change rien Non, ce n'est pas que ça ne change rien, mais non, on a vu en 2005. Hein, il faut les laisser d'abord. Il faut laisser d'abord les gens se manifester. Maintenant, ça on n'est pas face à un gouvernement qui, dit que non, il, il va pas changer. Le gouvernement est là. Le gouvernement existe pourquoi Parce qu'il y a un peuple. Mhm. C'est le peuple, si c'est le, peuple s'est dit, voilà, nous ne sommes pas d'accord avec certaines mesures. Et c'est pour cela, parmi leurs revendications, moi, je puis vraiment apprécier qu'ils n'ont pas dit qu'ils rejettent en bloc. Mhm. Parce qu'il y a cette nuance. C'est pour cela que je, plains, non, oui, je plains parfois la communication faite par le cadre de concertation et d'action citoyenne. J'aimerais bien qu'ils clarifient sur quoi vraiment ils contestent. Parce qu'il ne faut pas que les gens prennent leurs propos contre Ils ont même proposition, proposé des, solutions. Non, ça n'a pas été pris en compte. Mais quand on dit que le gouvernement ne peut pas, je ne suis pas d'accord. En 2005, le gouvernement, la loi était déjà votée, mais le gouvernement est revenu. C'est un gouvernement élu par le peuple. Et c'est obligé que si le peuple n'est pas d'accord, que le gouvernement revient. La machine à faire marche arrière, ce n'est pas quand même signe de faiblesse. Non, ça veut dire même euh, le signe de la maturité pour dire que nous sommes prêts à vous écouter. Laissez-les manifester, mais le fait d'interdire, d'interdire, ça ne fait que grandir la frustration et quand l'occasion va se présenter, on ne sait pas à quoi on va s'attendre. C'est pour cela qu'il faut éviter à ce que ce genre de situation du 29 octobre dernier euh, se, répète encore. Laissez les gens se manifester, les organisateurs de concerts avec les autorités de la ville de Niangon, prendre les dispositions pour que la manifestation soit encadrée. Et quand on encadre, les gens vont marcher pacifiquement parce qu'ils le disent eux-mêmes que c'est une action citoyenne. Donc, une action citoyenne, ça veut dire que vous allez marcher convenablement, comme pacifiquement, ça pacifiquement, d'une manière pacifique, tenir un meeting d'une manière pacifique, dire ce que vous avez à dire, s'il y a lieu de donner, de remettre un mémorandum à une, à une, autorité, de le faire, et après, tout le monde rentre chez lui, et c'est fini. Si maintenant le gouvernement à qui ils ont transmis a jugé parce que aussi, il faut que le gouvernement parfois se dise que non, il faut que j'écoute mon peuple. S'il y a une partie du peuple qui n'est pas d'accord, il faut que je les écoute pour pouvoir vraiment eh, rectifier le tir. Faire en sorte que, parce que le gouvernement, c'est le Nigerien, hein, c'est le Nigérien. Sans le Nigérien, il n'y a pas de gouvernement. Donc il faudrait qu'on fasse des choses pour que au moins une partie des Nigériens puisse se sentir vraiment à l'aise et vivre, et, compte tenu aussi de quelques réalités économiques que personne ne peut eh, eh, nier. Euh, très euh, tolérant par rapport à un certain nombre de choses si les gens euh, vraiment aimaient l'idée de pouvoir manifester pacifiquement, il faut les permettre de faire. Alayi Suleiman Mohamedou de Niger Inter, quelles sont ou pourraient être les conséquences des interdictions des manifestations dans une démocratie Je suis d'avis avec mes confrères que la règle devrait être euh, d'autoriser les citoyens à manifester parce que c'est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnel. Mais euh, le contexte tel qu'il était, je savais d'avance que véritablement, avec l'annonce euh, du président français, parce que c'était pas quand même aussi un truc de 9 minute, c'était annoncé quand même deux semaines avant, on avait l'information qu'il allait venir. Donc je pense que de ce point de vue-là, euh, les organisateurs aussi devraient avoir le réflexe que, même si ce n'est pas le président de la République ou euh, du Niger, il n'allait pas autoriser en tout cas, parce qu'avec euh, ce qui s'est passé, le cas des actrices, là, les gens ont vraiment montré qu'ils sont capables de faire aussi de la pagaille. Euh, c'était pas évident qu'effectivement un pouvoir responsable laisse en tout cas les gens manifester pendant que là un, un étranger assez encombrant comme le président français. Donc moi je pense que de ce point de vue là, je comprends la l'attitude du pouvoir que peut-être que il fallait, dans un esprit dialogique, appeler les organisateurs, écoutez, nous avons un, un, étranger, euh, en tout cas, euh, qui, qui, est chez nous. Donc, mon accord, est-ce que vous pouvez reporter votre activité la semaine prochaine Voilà, par exemple, aussi des façons de faire. que ça peut être l'initiative du gouvernement, comme aussi les nous peuvent effectivement, écoutez, nous avons euh, appris que vous avez un, un, un, visiteur, mais voilà, parce que, enfin, souvent, il ne faudrait pas vraiment euh, faire des choses vraiment un peu euh, dogmatiques. Non, nous sommes euh, en tout cas des citoyens et il faut voir l'intérêt général. Ça ne fera pas plaisir, en tout cas, au Niger, même pas un, ministre français qui veut en tout cas qu'il y ait de la pagaille, après un président français. Donc, moi, je pense que le ce point de vue-là, vraiment, pour l'avenir, quand il y a des choses comme ça, que ce soit un président français ou bien un président de n'importe quel pays, que, en tout cas, d'un commun accord, gouvernement, gouvernement, société civile ou bien opposition, on peut s'entendre en tout cas pour, vraiment essayer de trouver vraiment un accord rapidement, Garé. Ce que je voulais dire, que, en fait, le gouvernement a été échaudé par le comportement de la société civile lors de la manifestation du 28 octobre. Parce que eh, le gouvernement avait laissé les gens manifester et il a vu ce qui s'est passé. Et donc, ce qui fait que le gouvernement, maintenant, se dit que la société civile, la ne maîtrise pas en réalité les, militants. Est-ce qu'ils est peuvent donner la garantie qu'ils se disent que, bon, il faut faire attention Mais moi, je pense qu'effectivement, il faut dialoguer et il faut autoriser les gens à exprimer leur colère. Poursuite euh, des compétitions dans le cadre de la Neuvième édition du Sabre national dans l'arène des Jeux de lutte Langa Langa à Dezender. Sur les 80 lutteurs engagés hier, ils étaient au total 21 lutteurs invaincus qui poursuivent euh, leur course euh, pour le sabre national. Gary Amadou euh, du, du quotidien La Nation, comment Comment vous voyez le début et les issues de cette 39e euh, édition du Sabre national Oui, il faut dire quand même que, euh, franchement, je, suis le combat un peu, oui, un peu euh, à, distance. c'est vrai, la lutte traditionnelle, il n'y a pas l'engouement d'avant. mais j'ai cru voir qu'au début, il y, a une, il y, a un début de polémique concernant l'arbitrage, n'est-ce pas Et surtout, moi, vous savez ce qui me choque C'est le fait que deux lutteurs qui sont déjà tombés vont traîner les gens pendant combien de minutes non, vraiment, moi, je trouve qu'il y, a, y a quelque chose à changer. Je trouve que des lutteurs qui sont, qui sont tombés, vraiment, qu'il faut, il faut pas. S'ils font 5 minutes. Mais ils cherchent des points pour euh, leur, euh, leur non, Mais, mais, non, non, on sait qu'il y a, des fois où ils tombent et ils font 5 minutes. Et il faut que, s'il n'y a pas d'abritissement, on dit non, non, ils sont encore retombés. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire, on dit, ils perdent du temps aux gens. Vraiment, moi je pense qu'il faut gagner, il faut économiser en temps. Les lutteurs qui sont tombés là, donnez-leur 5 minutes. S'ils ne se terrassent pas, match nul, point. Et puis allez-y. Les gens ont autre chose à faire. Vraiment, moi, je trouve choquant. Et les gens sont en train de critiquer l'arbitrage, mais je ne sais pas ce qui se passe. Euh, ils sont en train de. Euh, surtout les histoires de jury, mais je ne sais pas comment euh, ils vont gérer ça, mais <laughs> je commence à m'inquiéter quand même. Issa Madougou du groupe de presse Ténéré, qu'est-ce qui vous a marqué de cette 39e édition du Sabre national Ce que j'ai remarqué avec cette édition, hmm, euh, que vraiment l'engouement est en train de se faiblir de plus en plus. Selon vous, pourquoi Pourquoi il n'y a pas d'engouement ben, Écoutez, jusque-là, moi, c'est que je ne suis pas trop amateur, mais je suis des combats de, de, loin. À distance comme garé. À distance comme <laughs> garé, mais je vois que jusque-là, moi, je n'ai pas vu un combat de bonne facture on sent que tout à l'heure j'ai suivi eh, un combat euh, entre euh, l'équipe d'Ottawa et Agadez. Mais, eh, mais, les lutteurs là ne sont pas là pour lutter. Vraiment, ils ont pris beaucoup de temps, mais pour tous, ce ne sont pas des invaincus. On dirait que, or que ceux qui sont là, les invaincus, ont lutté en selon, selon, vous deux, il y a des dispositions à revoir, il y a, certaines dispositions de la lutte. On a trop, il faut, il faut, il faut dire les mots tels qu'ils sont, on a trop perverti la lutte. Si nous voulons avoir cette lutte qui est traditionnelle, on doit la faire. Et pourquoi au Sénégal, ils ont deux formes de euh, lutte Ils ont la lutte professionnelle et la lutte traditionnelle. Nous pouvons le faire. Parce que la lutte, ce n'est pas seulement l'aspect sportif qu'il faut voir. Moi, je l'ai toujours dit, c'est ce facteur de cohésion nationale. C'est ce, facteur qui reflète l'unité nationale de notre pays, la solidarité, la, fraternité entre les différentes ethnies. C'est ça, le cousinage. Tout ça, là, il y a des valeurs que ça incarne. Ce n'est pas seulement le combat. Mais on a tellement perverti parce que les gens ont mis l'intérêt, du le gain en avant. Par exemple, cette commission ou bien c'est une transition ou bien comment ils appellent ça, de trois ans. Trois ans pour une simple fédération. Alors, même délégation de pouvoir. délégation de pouvoir. Même dans un État où on fait des coups d'État, la transition, ça ne dépasse pas 12 mois. Bon, plus forte raison, une fédération, trois ans. Un comité. C'est trop quand même. Et il faut faire en sorte que cette lutte retrouve ses lettres de noblesse. Parce que moi, je suis peiné aujourd'hui. Avant, quand il y a la lutte, quand vous sortez dans la rue, vous voyez des groupes de gens autour d'une radio. La circulation est interrompue. interrompue. Et les gens sont devant leur poste téléviseur. Mais Les, postes radio à, l'oreille. C'est extraordinaire. Et quand il y, avait même des documentaires, des gens sont venus de l'étranger pour tourner des reportages. Non pas seulement les lieux, le lieu où la compétition se déroule, non. Dans les autres villes du Niger, pour montrer ce que représente la lutte. Mais malheureusement, on est en train de pervertir C'est vraiment un acquis culturel. On est en train de pervertir ça. Et je pense qu'aujourd'hui quau au-delà du ministère, que ceux qui peuvent décider au-dessus du, ministre doivent prendre leurs responsabilités pour que vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, le message de paix du ministre et de l'archevêque, de l'amour puisse être vraiment une réalité au Niger. Alhaï Suleiman Mahamadou de Niger Inter, vous avez certainement remarqué des choses édifiantes ou à revoir. Partagez-nous vos réflexions. Euh, de mon point de vue, euh, le règlement a perverti la lutte. Euh, franchement, comme l'a dit quelqu'un, c'est plutôt une lutte de blanc. Aujourd'hui, c'est pas une lutte africaine, une lutte traditionnelle. Euh, moi, je pense que c'est cela. Vous allez voir des, aberrations. Quelqu'un, il est déjà en fait à terre, mais on dit il n'est pas terrassé. Il faudrait. voyez quoi Vraiment, euh, moi, je pense que les gens ont le temps de s'entraîner pendant pendant un an. Quand ils viennent, donnez le 10-15 minutes pour qu'ils puissent vraiment. C'est un acte de bravoure et de courage. Euh, bref, moi je pense qu'aujourd'hui, euh, le manque d'engouement, c'est vraiment le règlement qui a perverti euh, à la lutte vraiment ce qui, fait, ce qui intéresse le, le, le, le plus de gens. Et je pense que les gens doivent tenir compte, je pense qu'ils doivent être interpellés, que franchement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus l'engouement comme, comme, comme avant euh, ben, je pense que c'est. Vous vous, vous, vous, aussi, vous suivez la lutte à, distance Non, non je, Je, regarde, je regarde les, les combats, mais franchement, euh, tel que je connais euh, il y a des années, en tout cas aujourd'hui, de plus en plus de règlements en train vraiment de changer la nature de la lutte. Et cela est gênant. Vous ne pouvez pas comprendre que euh, un lutteur qui est déjà ses, pieds et ses, ses mains sont, ensemble, l'autre celui qu'on dise qu'il n'est pas, pas tombé, il va essayer de perdre du temps comme l'a dit. non, non, franchement, franchement, voilà, euh, nous sommes au terme de ce forum euh, du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Elhaj Suleiman Mahmadou de Nigeria Inter, Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Nous étions également avec Issa Madougou, journaliste au groupe de presse Ténéré. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec euh, Maman Ada pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma qui parleront du bilan de l'année 2017 sur le plan éducatif. Merci, au revoir.